le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou toujours à l'écoute du studio Kalangou. Il est 18h passé de 15 minutes. Diallo Maria Maikenda à ce micro. Bienvenue à tous. Le forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi tous les soirs où nous débattons de sujets brûlants de l'actualité pour ce soir, il sera question de l'immigration, la, migration au Niger, un pays de transit, les acteurs impliqués dans ce phénomène, les moyens et les conditions de migration. Nous verrons également le rôle que joue la région d'Agadez dans ce flux migratoire et la position de la loi par rapport à la migration. nous nous recevons deux invités. Il s'agit de Monsieur Guspe Loprit, euh, chef de mission de l'Organisation internationale pour la migration au Niger, l'OIM, et Manu Nabara Amidou de l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement. Messieurs, dames, bonsoir et surtout merci de rester avec nous pour ces 45 minutes. Je le disais, ils sont avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur Lopreto. Bonsoir. Et merci euh, d'avoir accepté notre invitation. bonsoir, euh, Monsieur Nabarro Amidou. Bonsoir. Merci également d'avoir effectué le déplacement. Euh, pour lancer le débat tout de suite sur la migration, nous allons faire un tour à Agadez et c'est avec notre correspondant Moussa Maman pour parler d'un atelier de deux jours sur la problématique de la migration dans la commune urbaine d'Agadez qui s'est tenue le samedi dernier. Agadez ville, on le sait, constitue un carrefour de passage des migrants en direction de l'Europe, le point de la rencontre avec notre correspondant Moussa Maman. La première, du cette table ronde sur la maîtrise de la problématique de la migration dans la commune urbaine d'Agadez constitue pour la population un espoir de compréhension de ces phénomènes. Étaient présents à cette rencontre les représentants des passeurs des migrants d'Agadez, Bachir Ama. Ces derniers nous révèlent leurs préoccupations. Maintenant, l'immigration, là, c'est ça, les, jeunes d'Agadez, ils sont en train de manger. C'est l'économie dans la ville. Mais maintenant, un bon matin, on dit qu'il faut arrêter. Si on te prend, c'est prison. Et encore les lois, là, nous, on ne comprend pas. On demande aux spécialistes de, euh, loi pour nous sensibiliser concernant la loi. Nous, on ne comprend pas la loi là. La loi là, ici à Agadez, si tu prends passager, tu vas partir avec ça à, Libye. On te prend, on t'amène en prison. Les collectivités territoriales d'Agadez ne bénéficient pas des investissements faits par l'Union européenne pour la gestion des flux migratoires. Di, premier vice-président du Conseil régional d'Agadez, déplore cela. Les financements jusqu'à là accordés par l'Union européenne sont des financements qui transitent à travers des ONG internationales avec lesquels nous n'avons aucun rapport, avec lesquels nous n'avons aucun contrat, avec lesquels qui ne nous ont jamais associés par rapport à quoi que ce soit. Étant entendu effectivement que la région d'Agadez aujourd'hui dispose d'un plan de développement régional qui a cerné la question de la problématique, la problématique de la migration en son sein et qui a défini effectivement un certain nombre d'orientations, il serait souhaitable qu'on sortir effectivement de cette euh, table ronde, que euh, les partenaires techniques et financiers s'accordent à comprendre effectivement que rien ne peut être fait sans la collaboration intégrale des collectivités territoriales. La commune urbaine d'Agadez, principale organisatrice de cette table ronde, nous explique l'objectif visé à travers cette rencontre. Ahmed Koussa, deuxième adjoint du maire d'Agadez et président d'organisation de la table ronde. Nous, nous voulons quoi C'est pas des Agadésiens qui partent en Europe, mais des jeunes trouvent de l'argent autour de la migration. Ils gagnent leur vie. La mairie n'a pas les moyens de donner du travail à tout le monde. Elle a besoin de donner du travail aux jeunes. C'est pourquoi nous nous sommes dit tout ce qui se passe autour de la migration au niveau du Niger et à l'international, il faut la voie d'Agadez si les uns et les autres veulent qu'on réussisse à juguler cette affaire de la migration. Donc c'est pourquoi la commune d'Agadez a réfléchi. Il faut des projets importants d'accompagnement des acteurs qui travaillent autour de la migration, d'accompagnement de la commune urbaine d'Agadez à créer des gros projets qui vont réinsérer des jeunes. Durant des jours, les participants vont collecter des informations sur la migration, définir des actions stratégiques, suivre régulièrement les résultats obtenus et les alternatives à la question de la migration. Moussa Maman, Agadez, Studio Kalango. Après Agadez, cap sur Dosso, notre correspondant à Dosso, Daouda Hassan, a rencontré quelques-uns de ces migrants au départ de leur aventure. Tu es à la maison sans boulot, sans rien, personne pour te donner. Tu es obligé de sortir et de voir. Si tu as la chance, tu reviens à la maison voir ce que tu peux faire avec. Soumaïl a un peu plus de 30 ans. Il fait partie de ces jeunes Nigériens qui sont bien décidés à quitter leur pays, quoi qu'il en coûte. Direction, la ville d'Agadez devenue le principal point de départ des convois en partance pour la Libye et l'Algérie. C'est un voyage éprouvant et l'arrivée à destination ne signifie pas la fin des difficultés. Monsieur Mamadou en sait quelque chose. Il raconte. Des bandits peuvent attaquer et te dépouiller. Dans la brousse d'Alger, par exemple, si le véhicule tombe en panne, c'est fini. Vous allez tous mourir. Pour preuve, dans la brousse d'Arlit, une fois, il y avait un véhicule qui était tombé en panne. Il y avait 16 personnes dedans. Tous ont péri parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que les vents et la poussière. En 2015, 7000 Nigériens, dont une moitié des femmes et d'enfants, ont été reconduits dans leur pays en vertu d'un accord signé, un accord entre Alger et Niamey. Comme eux, M. Sadou a été renvoyé chez lui. Après trois tentatives, il estime désormais qu'il est temps pour les jeunes de rester au pays. Quitter son pays aujourd'hui, il n'y a aucune garantie. Si quelqu'un peut avoir 100 000 francs débuter avec, il ne va pas quitter le pays. Sensibiliser les candidats au départ des dangers qui les attendent, c'est le travail des ONG qui travaillent sur le terrain. Par ailleurs, le Niger a aussi adopté une loi criminalisant l'aide apportée à l'immigration illégale. depuis Dosso pour le studio Kalangu. Alors, ils sont combien, comment et dans quelles conditions voyagent ces migrants Albert Chebou de Alternative Espace Citoyen euh, qui se retrouve actuellement, qui se trouve actuellement dans la région d'Agadez pour une mission sur la question a été joint tout à l'heure au téléphone par Abdoulaye Mamoudou euh, voici leur conversation. Avant cette conversation, nous allons d'abord écouter nos invités et qui sont ici présents dans ce studio. Je le disais au début de cette émission, je suis avec le chef de mission, l'OIM, euh, Monsieur Lopreto, et avec euh, l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement. Euh, je me penche vers euh, le chef de mission de l'OIM. Vous avez entendu ces reportages, ces, ces, témoignages parlant de la migration, on parle surtout de la région d'Agadez. Quelle est votre première réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Euh, oui, merci pour l'invitation. Donc, j'étais à Agadez ce week-end, donc euh, j'ai suivi moi-même la, table ronde euh, organisée par la commune urbaine d'Agadez. Bon, c'est la problématique d'actualité parce que nous, on a l'OIM a fait un suivi des migrants, des, des, flux migratoires, et déjà cette année, on a 290 000 migrants qui sont allés vers l'Algérie et vers la Libye, plutôt la Libye. Eh, sont les gens qui, comme on a entendu dans les reportages, ils n'ont pas d'emploi, pas d'opportunités. Donc, euh, ils arrivent de toute l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, euh, Gambie, euh, Guinée-Conakry surtout, mais presque tous les pays, on a des migrants de presque tous les pays qui viennent à Gadez. Euh, vous avez peut-être rencontré certains de ces migrants. Est-ce que vous savez les, conditions euh, dans, lesquelles ces, migrants voyagent euh, et, quels sont les risques auxquels ces migrants s'exposent Oui, les conditions sont très dures. les conditions de voyage sont dures et les conditions en Libye sont encore plus dures. Donc il y a des migrants, bon, ils voyagent sur les 4x4 pendant 3-4 jours dans le désert. Euh, parfois sans eau. Euh, euh, euh, il y a des bandits, comme on, connaît bien la situation d'Agadez, donc ils risquent leur vie chaque, chaque jour, chaque voyage. Euh, quand ils arrivent en Libye, euh, et c'est ça que bon, les témoignages des migrants qui, qui nous on entend toujours dans, dans, notre centre de transit, euh, ils parlent de façon ouverte d'esclavage, euh, des gens qui disent qu'ils ont, été achetés et qu'ils ont dû travailler pendant trois mois pour payer euh, la personne qui a, qui a acheté. Euh, on a des migrants qui sont revenus de la Libye à ces moments dans les centres qui sont des blessés par balles euh, parce qu'ils ont été attaqués. Donc ce sont des conditions vraiment dramatiques presque tous les migrants sont traumatisés par l'expérience qu'ils ont vécue. Donc euh, euh, voilà l'importance de suivre de proche cette, euh, cette situation, améliorer les conditions et surtout pour, pour l'OIM, le premier pas, c'est toujours d'apporter l'aide dès que tous les migrants reviennent vers le Niger pour rentrer chez eux en, en sécurité. À ce moment, on a un convoi de presque 250 personnes. Nous allons revenir sur, bien sûr, l'aide que l'OIM apporte à, ces migrants. Euh, nous allons donc écouter euh, euh, Monsieur Nabara, Nabara de l'ONG JMED e et JMED. Vous, aussi, vous êtes donc active, actif pardon, dans, dans ce domaine et Qu'est-ce que vous, vous avez à, dire par rapport à, ces témoignages que vous venez d'entendre Alors, euh, on a justement des, témoignages qui confirment euh, les éléments d'information que nous avons dans le cadre de nos, activités au Niger sur cette euh, question des migrations. quel type d'activité alors, on fait beaucoup d'activités de sensibilisation qui ciblent notamment des jeunes. On organise des, forums publics et des, actions de sensibilisation de proximité pour conscientiser justement les potentiels candidats sur tout ce qui leur attend lorsqu'ils entreprennent en tout cas un projet euh, migratoire notamment vers le vers le Maghreb parce que euh, pour ceux qui est de l'essentiel qui part de l'espace TDAO ils sont dans un espace de libre circulation, euh, ce qui est un autre aspect. Donc, euh, je continue. Euh, ces, informations que nous venons d'entendre donc fait, permettent justement de dire que c'est un phénomène complexe au Niger parce que les zones, d'abord au niveau des zones de départ, vous avez justement des, des perspectives économiques très sombres pour les populations qui sont candidates à ces départs-là mais aussi vous avez les dispositifs qu'on essaie de mettre en place face à cette migration. Et dans euh, quelle région, par exemple, vous, vous avez eu à rencontrer euh, ces migrants Alors, on intervient en fait à l'échelle euh, nationale, mais on cible principalement quatre régions. Donc, nous avons la région des Anders, notamment le département des Cantiers. Nous avons Agadez et Tawa donc euh, en plus de la capitale Niamey au niveau de laquelle on, on, intervient, où notre bureau national est situé. Et dans vos sensibilisations, quels sont les messages, par exemple, euh, forts que vous adressez à ces, à ces migrants La première des choses, c'est de leur faire comprendre euh, comment se passent les voyages, notamment vers le, le, Maghreb, de leur expliquer aussi les documents des voyages qu'il faut, parce que euh, tous ceux qui les exposent au, à tous ceux qui font qu'ils sont vulnérables, c'est parce que justement ils voyagent dans l'irrégularité. Et cette situation d'irrégularité permet à certains, notamment ceux qui assurent le trafic, de profiter de cette position de domination pour justement euh, les intégrer dans des réseaux d'exploitation, souvent dans des réseaux de traite qui les esclavagisent, donc euh, en Libye ou en Algérie. Donc voilà les éléments clés, en tout cas, qu'on essaie de faire comprendre des, aux, migrants, mais aussi, bon, la question de la libre circulation dans l'espace CDAO qui nous allons, nous allons, tout à l'heure revenir sur cette question de la libre circulation dans l'espace CDAO. J'annonçais tout à l'heure donc euh, Albert euh, Cheibou de Alternative Espace Citoyen que notre reporter euh, Abdoulaye Mamoudou a pu joindre tout à l'heure au téléphone. Albert Cheibou est dans la région d'Agadez actuellement où il effectue donc une mission sur euh, cette question. Je parle donc de la migration. On l'écoute. Agadez, c'est hein, un carrefour euh, vraiment migratoire. Et selon des chiffres euh, qui sont fournis par euh, le bureau de l'Organisation internationale de migration, l'OIM, Agadez, environ 80 à 100 véhicules hein, de pick qui quittent chaque lundi Agadez pour la Libye. Et chaque véhicule a à son bord au moins 20 à 25 personnes. Selon les estimations de l'OIM, vous avez au moins 300 personnes qui sortent par semaine d'Agadez et d'Arlit pour euh, la Selon toujours euh, l'OIM, ces chiffres pourraient connaître donc euh, une baisse en 2017 du fait justement des mesures draconiennes de surveillance et de répression qui sont prises en ce moment donc par les autorités nigériennes. Donc là, comme vous le savez, les autorités nigériennes ont essayé de démanteler ce qu'on appelle ici les ghettos, c'est les dortoirs où certaines personnes, les passeurs notamment, accueillent les migrants. Donc aujourd'hui, situation a fait que euh, la clandestinité a pris euh, vraiment euh, une importance ici parce que les, aussi bien du côté des passeurs que des migrants. Parce que les gens contournent aujourd'hui les barrières qui sont érigées et ils vont toujours vers la Libye. Ça n'empêche pas à des centaines euh, de migrants de partir tous les jours presque sur la Libye. Et puis tout à l'heure, j'étais au bureau de l'OIM à Agadez et aussi j'ai visité le centre euh, de transit et d'accueil des migrants. J'ai vu beaucoup de migrants qui sont retournés de Libye et qui veulent rentrer dans leur pays. Et ces migrants ont témoigné de la répression sauvage en Libye dont ils ont été victimes et en même temps sur le parcours euh, donc euh, la Libye et le Niger. Certains ont été même blessés par balles, donc il y a des migrants qui sont blessés, d'autres ont été dépouillés de leurs biens. Donc ces gens-là, euh, c'est des gens qui, qui, retournent chez eux, qui sont complètement marqués par cette sauvagerie donc des groupes armés de la police libyenne. Monsieur Albert, pourquoi Agadez Quelle est la particularité d'Agadez pour cette migration Agadez est connue déjà, hein. c'est une ville qui est connue historiquement comme un carrefour, euh, un centre commercial. Donc ça fait depuis des siècles que Agadez est connu quand même comme euh, euh, un centre très important de commerce transsaharien et beaucoup de gens passent par Agadez. Donc ça c'est vous venez d'entendre Albert Chibou de Alternative Espace euh, Citoyen. Monsieur Lopreto, euh, vous avez entendu les chiffres évoqués par euh, Albert Chibou tout à l'heure lors de cet entretien. Est-ce que vous confirmez ces chiffres il y a même plus que ça. on a calculé qu'il y a quand même un, entre 6 000 et 7 000 migrants par semaine qui vont vers l'Algérie euh, et, la Libye. Il y a eu euh, une tendance à la baisse dans les derniers euh, trois mois. Euh, après les mesures que le gouvernement a prises pour empêcher les passeurs de faire leur travail et leur trafic. Euh, donc à ce moment, c'est beaucoup moins. C'est, hum, nous, on calcule entre 2 et 3 000, 2 000 et 3 000 migrants, donc c'est beaucoup moins, mais c'est toujours un, nombre important de migrants qui continuent à chercher euh, leur fortune et leur euh, euh, aventure dans le désert. Et par rapport donc à la baisse de, ces chiffres et des, migrants, Albert Chebou a parlé de, politique politiques mises en œuvre par les autorités nigériennes. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à cette politique oui, bon, euh, après la visite du ministre de l'Intérieur Bazoum à, fin juillet, lui-même s'est rendu compte que les trafics maintenant euh, à la base de l'économie euh, d'Agadez. Il a vu lui-même les, conditions des ghettos, il a vu les, femmes euh, nigériennes qui sont là, qui sont en train d'aller d'attendre leur, transport pour aller vers l'Algérie. Donc il a lui-même tout de suite a dit qu'il ne faut pas fermer les yeux, etc. Donc après quelques jours, euh, des arrestations ont commencé, euh, notamment des, passeurs, des coxeurs, comme ça, ils s'appellent comme ça. Euh, des véhicules ont été immobilisés, quand même 60 véhicules. donc, et, il y a des patrouilles qui continuent même la nuit à Gadez. comme je disais, j'étais là ce week-end et je vous que les mesures sont encore en cours. Donc, c'est difficile d'empêcher la migration parce que la, la migration est un processus qui va continuer. Mais cette mesure, cette condition, euh, on a des pick-up avec 30 euh, ou 40 migrants, euh, des véhicules qui sont même pas immatriculés avec euh, leurs documents et papiers de voyage. Donc, on peut pas. Ça, c'est les mesures du gouvernement vont vers la, la euh, oui, oui, empêcher ce type de euh, des transports à ces conditions. Donc, euh, et l'OIM, je suppose, a aussi des mesures ou l'aide. Je vous parliez tout à l'heure de l'aide. Nous allons certainement revenir à, bien sûr ce que l'OIM fait pour accompagner les autorités nigériennes. Et en ce qui concerne donc euh, l'ONG JM, Jimed e m'aide mhm. avec euh, Monsieur euh, Nabara. Nabara, c'est bien cela. Et vous, avez parlé de la région de Tawa juste rapidement pour en savoir un peu plus par rapport à cette région, parce que là, on parle d'Agadez, d'Agadez, et, vous, vous parlez de Tawa. Oui, euh, donc Tawa est aussi une importante zone de départ, hein, notamment vers la Libye et aussi la, la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi ça fait partie justement des zones parce que nous, on cible surtout les zones de départ et les zones de transit dans le cadre de nos interventions. Et Tawa, justement, si vous prenez même le, les chiffres au niveau national, Tawa est la première région d'immigration, donc la première région de départ des migrants vers, euh, vers l'extérieur. Donc c'est pour cela justement qu'on la cible. Mais Tawa euh, est en partie aussi une zone de transit des migrants. Vous avez euh, récemment, avec les mesures qui sont prises à Agadez, des migrants notamment de la région des, des qui passe euh, plutôt par euh, Tawa et Tintabaraden pour euh, justement effectuer leur voyage afin d'échapper aux, aux, mesures qui sont prises notamment au niveau d'Agadez qui semble être en tout cas le carrefour, le carrefour, le plus visible. Donc il y a une sorte de stratégie de contournement des, des voies qui sont déjà connues. Vous savez, les, migrants sont aussi tiennent compte justement de, ce qu'on fait pour justement les, les, contrôler. Et vous avez aussi euh, d'autres zones comme Ngigimi dans la, dans la région de Difa mm. qui est aussi en train d'être euh, une, euh, une zone où les migrants essaient de passer pour échapper justement à ce centre-là que tout le monde vise, alors, qui est Agadez. Alors, les zones, les zones de départ, au départ, ces migrants, vous les, vous, vous les avez certainement rencontrés. Qu'est-ce que concrètement vous les dites, puisque vous êtes beaucoup dans la sensibilisation alors, euh, euh, la, difficulté qu'on rencontre souvent aussi, c'est que, bon, les, activités de sensibilisation à elles ne suffisent pas. Il faudrait forcément des projets qui devraient cibler ces candidats potentiels-là pour les accompagner parce que euh, la principale cause, même s'il y en a d'autres qui sont non économiques et économiques, donc la pauvreté et le manque d'activité, notamment au niveau des jeunes. Donc, c'était nécessaire, en tout cas à partir de nos échanges, qu'au-delà de ces sensibilisations-là, on puisse élaborer des projets qui accompagneraient les jeunes euh, et les femmes qu'on cible, qui sont dans une situation de vulnérabilité au niveau local, donc des vulnérabilités économiques pour justement alléger cette euh, situation, leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus qui puissent euh, les mettre à l'abri de cette tentative qui pourrait être en tout cas dangereuse. en a à partir de tous les témoignages euh, toutes ces difficultés-là euh, que les migrants rencontrent, notamment en Libye en Justement, vous venez d'évoquer l'un des sous termes de cette émission, et c'est bien sûr euh, les mesures accompagnatrices de, de, de, de, ces sensibilisations aussi, du fait de pouvoir freiner la mhm. migration. Mhm. Nous allons poursuivre cette émission en, en retournant à Agadez et notre correspondant Moussa Maman a recueilli l'avis de certains citoyens sur la, sur la question euh, de la loi et qui interdit le trafic euh, illicite. Donc euh, cette activité qui est bien sûr mm, une activité phare dans la région d'Agadez. On les écoute. Il faut voir ce qu'on appelle le pour et le contre de cette loi. Le pour donc de cette loi effectivement, c'est que eh, ça protège l'être humain parce que c'est des humains qui partent se faire tirer dans la mer en voulant traverser la mer Méditerranée. C'est une très bonne chose si c'est pour en tout cas diminuer cette mortalité-là, ou bien en fait ces gens-là qui meurent dans la mer ou dans la traversée du désert même. Ça c'est le pour. Le contre maintenant, c'est que et il faut comprendre qu'autour de cette question de la migration, il y a toute une économie informelle. Donc il y a tout un monde qui vit de ça. Moi je vous donne l'exemple de passeurs des migrants, de chasseurs des migrants, de guides des migrants. Il y a toute une panoplie de gens en tout cas qui tournent ou qui vivent de cette affaire des migrants. Maintenant, le contre effectivement, c'est que eh, m'appuie-toi sur leur cas parce que si jamais on dit que cette activité-là est interdite, ces gens-là, avec quoi est-ce qu'ils vont faire vivre leur famille C'est une loi où le cadre d'application n'est pas précis. Les gens s'interrogent quel est vraiment le cadre d'application de cette loi. Parce que cette loi, à notre grande surprise, ça s'applique pratiquement dans la région d'Agadez. C'est à partir d'Agadez qu'on fait retourner les migrants. La loi dit que non, ce ne sont pas les migrants qui sont visés, ce sont euh, ce ceux qui héberge, ceux qui transportent illégalement, ceux qui, ce qui. Mais il faut voir que par rapport à ce retour à ou, à cette saisie de véhicules et d'emprisonnement des chauffeurs, il faut voir la perte que subit le migrant lui-même. Parce que certains migrants ont payé 150, parfois au-delà de ça, mais à 15 km, on te, fait retourner et on te demande si tu veux retourner chez toi. C'est une bonne chose de les prendre, mais c'est aussi une bonne chose de leur trouver quoi faire. Il ne s'agit pas seulement d'aller prendre la personne partout où il est et de l'amener avec force, alors que par exemple cette personne, il a laissé tout derrière lui et peut-être qu'il n'a rien du tout. Mais moi, dans tout ça, c'est qui m'étonne. Hein. S'il y a une loi qui interdit l'immigration, pourquoi ces gens-là ne sont pas bloqués depuis dessous Tu vois, depuis dessous, les gens-là, ils sont laissés jusqu'à Agadez. Et sur chaque point, j'ai plusieurs fois voyagé avec ces gens-là. Il faut que les gens-là paient de l'argent. C'est de l'argent qu'on prend sur depuis de ce jusqu'à Agadez. Sur chaque point, hein, ils ont leur passeport, ils ont presque tous les papiers. Ils viennent ici à Agadez. Maintenant, pour passer, pour euh, passer de l'autre côté, maintenant c'est un problème. Propos recueillis par Moussa Maman, notre correspondant à Agadez. Euh, euh, nous allons pas tout de suite débattre sur la question, à proprement dit, de, la loi avec euh, l'OIM, Monsieur Lopreto. Euh, on parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de, mesures euh, d'accompagnement par rapport donc à, freiner. à pouvoir freiner donc la migration, pour accompagner aussi les autorités nigériennes au niveau de l'OIM, qu'est-ce qui est fait et concrètement nous travaillons avec les réseaux de, centres de transit qui sont à Agadez, à Arlit, à Dirkou et ici à Niamey aussi. Donc, euh, on, d'abord, c'est la prise en charge des migrants qui reviennent de l'Algérie et de la Libye, euh, avec tout l'accompagnement vers leur transport vers les pays d'origine et les projets de réinsertion. Euh, sur la loi, il faut ajouter aussi que pourquoi le Niger est important dans le cadre de la CDO. E euh, le Niger est la, frontière de la CDAO. Après le Niger, il faut, euh, selon la loi, les visa pour aller en Libye, en Algérie. En réalité, personne n'a des visas la plupart des migrants, 80% n'ont même pas de carte d'identité ou de papier. Ils sont dans les déserts sans papier euh, en allant vers euh, la Libye, l'Algérie et après l'Europe ou, d'autres pays. Donc euh, cette situation d'irrégularité commence, disons, dans la région d'Agadez plutôt vers Dirkou, Arlit, donc vers la frontière. Alors, alors euh, vous parliez tout à l'heure du fait que vous avez assisté à certaines euh, mesures euh, prises par les autorités nigériennes, celles de, de quand même réprimander, emprisonner les passeurs et autres. Et ces citoyens que nous avons entendus parlent bien sûr de, de c'est vrai, de pouvoir les freiner, mais aussi créer des activités qui retiennent ces, ces migrants. Et au niveau de, de l'OM, on a entendu parler de la prise en charge de ces migrants, mais est-ce que autrement l'OIM pourrait peut-être se pencher sur cette question Absolument. Euh, nous, on travaille avec les migrants, mais aussi avec les communautés ici au Niger. Par exemple, à Zander, pour tous les, les rapatriés de euh, l'Algérie, les, Nigériens qui étaient en Algérie, on a monté des projets avec des groupements de femmes et des hommes, euh, petites activités économiques, etc., pour, pour euh, aider leur réinsertion dans la communauté. Euh, quelqu'un disait dans les, dans les reportages l'économie derrière la, migration. Ça, c'est notre aspect très important. Si on veut impliquer les communautés, il faut aussi eh, eh, commencer à discuter des vrais projets de développement pour la communauté, pour tous les gens qui sont au chômage. Et c'est là où eh, on, doit vraiment intervenir en tant que communauté internationale et OIM ou autres partenaires. La répression, c'est une partie euh, de la réponse, et c'est peut-être la réponse de l'État qui doit faire euh, respecter les lois, euh, tous les différents, la, législation. Pour nous, c'est vraiment important de rentrer d'abord avec l'assistance euh, aux migrants et on parle parfois vraiment d'assistance humanitaire aussi. On a des cas très, très difficiles à traiter. nous, on, va, on fait le suivi jusqu'à les pays d'origine. L'autre côté, c'est vraiment aider euh, au niveau régional, communal, euh, comment faciliter le, développement, créer l'emploi et peut-être euh, donner des alternatives à tous les gens qui sont maintenant impliqués que dans les, dans les business de la migration. Euh, euh Monsieur Nabarro, je viens vers vous. Donc, par rapport à tout à l'heure, euh, cette question de retenir ces migrants, et plus haut, on a entendu des, des des citoyens qui ont dit c'est dès le départ euh, que, le problème se pose. Pourquoi on n'arrive pas depuis Dosso à bloquer ces migrants Et tout à l'heure, vous avez parlé aussi d'initiatives, la création bien sûr euh, de certaines activités. Est-ce que en réalité, euh, c'est une question avec ce que vous savez, si cela est possible avec les moyens de, euh, l'État, par exemple, et de la communauté internationale aussi. D'accord. Euh, donc, par rapport à la rétention des, candidats potentiels, hein, parce qu'il faut, euh, si en fait, à partir de dessous, on ne peut pas savoir qu'ils sont en train d'aller en Libye ou en Algérie et que légalement, en tout cas à partir des engagements du Niger, il ne peut pas empêcher à des citoyens de la CDAO euh, de circuler. Vous savez que les États membres de la CDAO sont liés par un, un accord qui permet à tous citoyen de, de la CDAO de circuler librement euh, dans, cette, euh, dans cet espace-là. Mais est-ce qu'en réalité, ils circulent librement parce que ils ont, il y a des témoignages qui montrent qu'ils donnent assez, beaucoup d'argent, même mm. parfois quand ils ont tout. Oui, ça, il y a beaucoup de tracasseries, ça, nous avons, nous en avons dénoncé. C'est d'ailleurs un des aspects de, notre intervention sur ce programme. On avait travaillé avec euh, un projet de la CDAO euh, qui s'appelle Migration, service du Développement et de l'Intégration Régionale. Et là, avec la, police, avec les agents du ministère de l'Intérieur et un certain nombre d'acteurs impliqués, on a essayé justement de réfléchir. Cela, c'était en 2014, je pense, c'était le ministère de, l'Intérieur qui avait même parrainé ça pour en tout cas témoigner de, l'engagement pour euh, mettre fin à ça. Donc il y a beaucoup de, il y a des, des freins à la libre circulation qui sont un autre champ de bataille et donc par rapport à la mobilisation des fonds Des fonds et puis euh, par rapport à la, vulgarisation des instruments qui montrent que justement les citoyens de la CdaO légalement peut circuler librement sans besoin. Parce que ceux qui prennent de l'argent avec ces migrants, c'est de la corruption ou c'est en tout cas des raquettes illégales et donc euh, qui doivent être condamnées. Et maintenant, ça, ça explique justement pourquoi on ne peut pas arrêter les migrants à partir de Dosso. Alors donc je reviens sur cette question de, de mobilisation de fonds et de, de, faisabilité euh, de réalisation de ce projet et par rapport donc à la communauté internationale et par rapport aussi aux autorités nigériennes. Oui, donc en fait, euh, le, dernier fil de mon, de mon idée par rapport à votre, à votre question, c'est l'idée des perspectives économiques qui devaient être créées localement. Et ce que je voulais dire ici, c'est qu'on est en train d'aller aussi au-delà. Euh, on a un projet qui doit démarrer très prochainement et qui devrait aller au-delà des actions de sensibilisation. La sensibilisation est nécessaire, quel que soit ce qu'on va faire, si les gens ne sont pas conscientisés, parce qu'il y avait eu des, activités qui sont faites, mais euh, qui ont permis au contraire à certaines personnes de partir même à la migration. C'est pourquoi donc toute action qu'on doit faire devrait être accompagnée par la sensibilisation. Et donc nous, on est en train de vouloir coupler la sensibilisation avec aussi des actions d'accompagnement des candidats potentiels des couches les plus vulnérables pour que justement euh, ils puissent avoir des alternatives à la migration irrégulière. Parce que notre combat c'est la migration irrégulière qui consiste à partir euh, coûte que coûte dans un pays malgré que ça veut on dire que si aujourd'hui si euh, aujourd'hui la communauté internationale décidait par exemple d'éradiquer ou freiner la migration quels sont les, moyens quels seraient peut-être euh, les, moyens est-ce que cela est, réalisable avec peut-être l'aide aussi des différents des différents mhm. pays donc au niveau international ce qu'il faut souligner aussi c'est que c'est le trafic illicite des migrants et la migration irrégulière qu'on vise. Ce n'est pas la migration en tant que telle, parce que euh, si, on, si, on, prend la définition de la migration, tout le monde euh, est migrant, on va de part On aura cette question voilà, et va que, et que tout à l'heure. Hmm, d'accord. Donc pour aller rapidement, et que la migration, et la, en tout cas la liberté de circuler, est quelque chose, euh, un droit international. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît que toute personne peut quitter un pays, y compris les saints et de revenir aux besoins. Donc c'est un droit international qui fédère tous les États. Mais à l'inverse, c'est la migration irrégulière qui consiste à aller dans un pays alors qu'on ne remplit pas les conditions fixées par ce pays-là qui est interdite. Et c'est ça qui est sur le banc euh, des accusés entre, entre griffes de la communauté internationale. Et c'est ça qu'on vise, proposer des alternatives à la migration irrégulière, mais non à la migration euh, qui est légale et qui est importante aussi pour le développement d'un pays. alors, alors, Monsieur Lopreto, euh, euh, je reviens vers vous pour, vous pour vous donc poser la question de la réalisation ou de la faisabilité de ce projet de d'éradiquer, d'éradiquer pardon, la migration ou, ou est-ce que les moyens aujourd'hui avec la communauté internationale pourront arriver à ces fins Oui. Moi, je dois rebondir les points que c'est la migration irrégulière qu'on doit euh, contrôler, ah mieux gérer. Euh, euh, donc, selon l'OIM et selon tous les acteurs internationaux, la migration est véritablement une source de développement pour les migrants lui-même, pour la famille, pour les pays d'origine, avec les transferts d'argent par exemple, et pour les pays de destination. Donc, il faut peut-être faire la promotion et faciliter la migration légale euh, dans certaines conditions euh, et, faciliter l'économie régionale, par exemple. tout ça, euh, on nécessite des mesures, des, des projets de développement, même euh, avec les, dans la zone CDAO par exemple, ou dans les pays qui sont plus touchés par ce euh, phénomène. Je pense que les moyens sont là. Euh, L'Union européenne s'est montrée très prête à soutenir le Niger. On a eu des visites d'autres niveaux qu'ils ont discuté directement avec les présidents, les premiers ministres. Donc les moyens sont là. Il faut vraiment s'engager à tout niveau, au niveau politique, au niveau euh, dans les communautés, sur le terrain, avec tous les acteurs. Et je pense que euh, on est dans le bon moment pour montrer que le Niger peut, peut, être vraiment un partenaire euh, euh, valide, engagé, fiable pour tous ces acteurs. Et après, voilà, on doit regarder vraiment dans les zones les plus touchées pour aller d'abord avec le développement dans cette zone et après peut-être élargir l'action dans des autres zones aussi. D'accord. Pourquoi les, migrants ne sont pas bloqués depuis le départ C'est une question que nous avons aussi posée euh, aux juristes, au docteur euh, Hassan, euh, docteur Amadou Boubacar Hassan, que nous allons écouter. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, même si le Niger, euh, traditionnellement, c'est pas un pays de, de migration entre griffes, puisqu'il faut quand même reconnaître qu'il euh, y a des déplacements, de la mobilité de nos concitoyens en direction d'un certain nombre de pays, notamment des pays africains. Euh, le Niger, quand même, euh, sur le plan international, c'est un pays de, de transit et d'accueil pour la migration internationale. Et à ce titre, vous savez que dans le cadre des Nations Unies, il y a euh, la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et beaucoup de textes euh, de, de, la CDAO, de l'Union africaine par rapport à la lutte contre la traite, qui ont été euh, adoptés, donc ratifiées pour certains par le Niger et que sur le plan interne, le Niger a transposé ces instruments juridiques internationaux. Donc en 2010 déjà, il vous souviendra que l'ordonnance sur la traite des personnes a été adoptée pour lutter justement contre la traite euh, des personnes, puisque dans le cadre de la migration, euh, justement, ça peut masquer un peu, si vous voulez, la traite des personnes, surtout des femmes et des enfants. on parle de migration, on parle de traite. quelle est donc le lien entre ces deux mots Justement, et c'est pour venir un peu à là, il y a déjà en 2010, il y a une ordonnance euh, sur la traite des personnes et en 2014-2015, il y a eu la loi euh, sur euh, le trafic illicite des migrants qui a été également adoptée compte tenu de la position du Niger en tant que carrefour, donc pays d'accueil et de transit de migrants et pour réprimer la migration, donc il, le trafic illicite des migrants. Maintenant, dans le cadre de la mobilité de façon générale, euh, vous savez, les peuples, euh, en tout cas africains, ou l'humanité, euh, de façon générale, est caractérisée par la mobilité des êtres humains. On ne peut pas empêcher aux gens de se déplacer d'un territoire, en tout cas d'une région à une autre, à l'intérieur du même territoire ou d'un territoire à un autre, dans des espaces et d'un continent à un autre. Donc la mobilité ou la migration est inhérente justement à l'être humain. D'où la migration illicite. Voilà, d'où la migration illicite, parce que lorsqu'on parle de migration illicite, c'est cette migration qui cache un peu un certain nombre d'atteintes aux droits humains, euh, de, de, commerce un peu d'êtres humains, de certain nombre de choses où les gens euh, font la migration en ne disposant pas, par exemple, de documents de voyage, sans pour autant avoir des visas, l'autorisation d'entrer sur le territoire des États, ce qui fait qu'il y a des passeurs qui contournent les voies légales, normales, et pour entrer euh, sur le territoire des autres États. Maintenant, c'est vous venez d'entendre euh, le docteur Amadou Boubacar euh, Hassan, euh, juriste. Monsieur Nabara, vous avez parlé des différentes régions tout à l'heure, je vous ai suivi, la région de Kanché, et nous avons entendu le docteur Amadou Boubacar parler de traite de, personnes euh, dans le cadre donc euh, du trafic euh, illicite et des personnes. Et dans cette région de, de Kanché, on nous a aussi rapporté que ce trafic, cette tête des personnes était vraiment visible. Tout à fait. donc à Zender, notamment dans le département de Kanché, où il y a une forte mobilité des femmes euh, qui s'accompagnent d'enfants en Algérie. Il y a euh, des cas de traite qui peuvent être identifiés. Et, euh, si nous prenons la définition de, cette expression des personnes, dans le Niger, au passage, comme l'a souligné le docteur, a une législation sur la question depuis 2010 et la traite renvoie justement à, au recrutement des gens par des moyens trompeurs ou par la violence dans le but de les exploiter. Alors, à Kantier, comment ça se passe avec, avec ces femmes et ces enfants alors, euh, à Kanté, c'est particulièrement les enfants qui sont victimes de cette traite-là, parce que justement, c'est qui, qui sont amenés en Algérie dans le but d'être exploités dans la mendicité, qui est la principale activité que ces femmes exercent euh, en Algérie. Et donc, euh, il y a tout un tas de mécanismes par lesquels ces femmes obtiennent des enfants. Il y en a qui prennent leurs propres enfants, il y en a qui prennent celles du voisin, celles euh, d'autres parents avec lesquels ils n'ont aucun lien, dans l'espoir justement de partager avec eux les produits de, de, de, cette migration. Donc on a eu en tout cas la chance de participer à un certain nombre d'études qui ont été faites. Il y a par exemple l'étude que l'OIM avait menée dans la, dans la région et euh, l'étude aussi que l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes a menée pour laquelle j'étais personnellement impliqué et donc qui nous ont permis justement de détecter ces cas de, de traite, surtout des, des, des, enfants en Algérie, mais aussi des femmes. Parce que dans le cas du, du, du trafic illicite des migrants, la traite peut être la conséquence parce que les, les, les, trafiquants qui amènent les, les, gens en Algérie souvent les revendent à d'autres personnes qui sont en Algérie et qui exigent de ces personnes-là de rembourser les frais de transport qui sont extrêmement élevés pour laquelle on va vous prendre, vous allez travailler 5, 6 mois pour la personne gratuitement euh, sous la fausse idée de payer la dette de, du transport. Donc voilà. Monsieur Lopreto, euh, l'OIM euh, à Canché, par exemple, avez-vous euh, euh, des informations sur les raisons profondes de, ce phénomène dans la région de Kanché. Oui, il y a des villages où ce phénomène est plus développé que dans les autres. Ce sont les réseaux criminels qui marchent très bien au niveau de l'Algérie, au niveau de, de la région des Anders, et notamment Kanché, Matamey et toute la zone qui, on connaît bien malheureusement euh, les femmes et les enfants qui partent, euh, qui, qui n'imaginent même pas qu'est-ce qui va se passer sur la route et et en Algérie. Je m'excuse déjà pour l'exemple que je vais donner, très dur, mais on a eu des femmes, par exemple, qui ont dit, moi je me suis mariée sur la route pour, euh, euh, je préférais être violée euh, par une personne euh, ce qu'est une personne plutôt qu'être violée par plusieurs personnes parce que je voyageais seul. Donc c'est l'esclavage, c'est la fraude, c'est l'exploitation totale. Donc c'est là où il faut vraiment intervenir euh, en, amont avec des avec un changement culturel, je pense aussi. Alors pour pour rapidement aller peut-être avec quelques secondes les autorités de Kantier les, les autorités de Kanché, euh, est-ce que vous avez discuté avec elles Y a-t-il euh, quelque chose à faire pour freiner quand même euh, euh, cette situation horrible avec ces femmes et ces enfants. On va dire très rapidement, on a juste, vous avez juste <laughs> quelques secondes. Oui, c'est un travail en cours, euh, donc on doit les sensibiliser. On, est en train d'utiliser tous les moyens qu'on a des communications, donc vraiment pour, pour faire passer ces messages. et après, il faut les appuyer côté socio-économique. On a des groupements qui sont déjà en place. Les, les autorités locales travaille très bien avec nous, et avec des partenaires. Donc, euh, on ne laisse pas tomber cette thématique parce que c'est vraiment important pour nous pour des raisons évidentes. On termine avec euh, rapidement, Monsieur Nabarro, une conclusion très rapide. c'est une question complexe pour laquelle toutes les parties prenantes doivent aller ensemble de façon coordonnée pour qu'on puisse atteindre des résultats euh, qui sera les meilleurs. Fidèles auditeurs, merci infiniment d'être restés avec nous. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous étiez en présence de Monsieur Lopreto, euh, chef euh, chef de mission de l'OIM et aussi de Monsieur Nabara, Nabara de l'ONG Enfance enfance, euh, jeunesse, enfance et migration et développement. Merci infiniment. Je vous retrouve donc demain à la même heure. Au revoir.